Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance en renouvelée, merci de vous des like, merci de vous abonner, merci également gars de baisser les commentaires, un plaisir voilà chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait fou de Montenegro, euh, 14 régions du Sénégal. Rokoro Khadi Gorgo Khadi ñing leen di di également ci lal hôpital ci kër yi février. feebar yàlla na suñu borom fa seen bopp ñu wér ak jàmm ci yi aussi erreur judiciaire ak giñal ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delawaat leen seen i njaboot ñi de doaduna suñu borom xal leen àjjana fi daw te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie des Sport. TV de Baba Show l'actualité en continu actualité nous faisons yéene waxtaanee le match phénoménal de Maurice yawak également le FC Barcelone Midadi gagnetei gagné avec un au Félix exceptionnel mais également Marc Guiou qui marque son premier but en 23 secondes gars yi loolu yëpp ñu la yéene ko wasaare laata dina am attaque ñett 83 ans qui est Edson Arantes do Nascimento Pelé di Pelé donc le roi Pelé mais aussi il a marqué l'histoire du football mondial l'homme aux 1000 buts pendant ce temps également euh, ki nga xam ne nag gars le joueur euh, donc suspendu par l'argent plutôt le football l'Argentin champion du monde moom nak dellu si na ci mbir néna mom domam mo amone donc euh, sëqat feebaru sëqat bu ko jox garab sirop boobu ma ko jox mo ci amone lo xam mom doko da diko naxalé di ko ci lool nak mo taxoon mom ay problème mais musta jël substance mom dañ koy tere pendant ce temps la Juve grâce à Locatelli à la 63e minute moo daal le Milan assez, bien entendu, un but à zéro. Donc le Milan qui voit rouge également parce qu'aujourd'hui, le Milan AC a perdu. Donc, nous joué l'eau à 10 parce que l'Union Rouge, c'est ben joueur et Olivier Giroud n'a rien pu faire dans ce match. Quand l'Union Rouge du Kenen Corona qui a donc boy boy tamit sante tiaw dem fa nga xamne moy donc du côté de la nationale mannschaft de jouer pour Allemagne donc momo gok légui allemand la boy donc également mom mo le carton rouge ah, donc nek lo xamne aussi Nagai donc ça a beaucoup pesé Chimachu Milan ses Valence également que dit de Massimiliano Allegri grand victoire bi surtout nga am ko contre équipe bu ci mel ne assez AC loolu day sauver sa place gars de sauver sa place en tant qu'entraîneur donc on a nee na euh, victoire bi nii dafa nek victoire bu reuy bo xamné ne ko Allegri bi xamné exulter de joie et pendant ce temps c'était les retrouvailles entre deux entraîneurs l'un ancien entraîneur du FC Barcelone actuellement du côté de Bilbao ak aussi keneen go xamné ne gars mo nag le FC Barcelone et pourtant l'un a entraîné l'autre également Xavi gis ngeen ko sur le banc tay nak qui a permis au FC Barcelone de battre Atletico, Atletico Bilbao, un à 0 grâce à Ben Boy à la 80e minute. Marc Guillaume hein, formé du côté de la Masia, moi, Dougal Bibi mon boy, il est entré, Gaï, quelques secondes après, il a marqué un but exceptionnel sur une passe exceptionnelle aussi de King nga donc Joao Félix Joao Félix gars yi nag sa forme bi ko il c'est du côté de l'Atlético Madrid 23 secondes il a fallu 23 secondes pour Marc Guéhiou daal di le but de la victoire pour le FC Barcelone il y a 23 secondes néew na jour fi 23 secondes qu'est-ce que tu es capable de faire en tout cas aujourd'hui Guillou et Joao Félix ont porté le FC Barcelone Joao Félix passe pour lumineuse le à di def mais franchement c'est franchement dafa Je joueur xam un plaisir d'être leen Joao Félix il me rappelle un peu un certain Mesut Ozil, du côté du Real Madrid le joueur allemand d'origine turque et pendant ce temps également, Ter Stegen encore clean monsieur clean comme King nga xam ne gars saison bi passée meilleur gardien de la Liga espagnole encore une fois aujourd'hui il a gardé ses cages inviolées. Le gardien de la National Mannschaft, autre gardien également, un but contre son camp. Il aurait fait un match à 100% et de un match à 100%. Note de 7 sur 10, Moridiao qui a été stratosphérique. Et jusqu'à la 92e minute de jeu, Guinée Ben Arebou décisif, le gardien. Il a fait 6 arrêts. 6 arrêts pour Mouridiaou. Balle au pied, il est extraordinaire. Dans les cages, il est stratosphérique. Mais gars, il a un goal mon qui aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, qui mooy Mori le mur de Gorée pour l'instant ah hein? maa tuddee woon nga xam donc Edouard Diol comme mur de Gorée Mais je garde ça mais aussi am na mur de Gorée muy Mori Diaw pendant ce temps aussi malheureusement clairement 17e place la nekk moom ñoo joué Clairement, Clermont gagné 2 buts à 1 mais ñoom ñaar ils sont dans une situation de relégable de même que FC Metz Booking ki nga xam ne donc Lamine Camara gars yi li ma nekkoon information yi ñu leen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir Ou les di like les abonnés, on avance ensemble dans la magie de e TV de Baba Show jaa